L'homme doit avoir toujours une seule parole. S'il respecte nos choix, nos paroles, leur réussit, car l'on ne change pas de but. Vous, vous rappelez certainement de Seini Daouda Lukman. Il est né le 31 janvier 1998 à Niamey. Après l'obtention du baccalauréat au CSP et il s'inscrit à Swiss University of Niger. Il est membre des leaders du 21e siècle. L'homme doit avoir une seule parole. Si l'on respecte nos choix, nos paroles, l'on réussi car l'homme ne change pas du tout. C'est avec ça que nous avons débuté cette émission. Et ce slogan lui appartient. Nous allons parler d'un document, mon bac. Ce document fait le décryptage d'un véritable code linguistique et spécifiquement humain. La conscience est ce qui différencie l'homme de l'animal. Mon ami Saini Daouda, dont dit la machine, ou si tu veux, Daouda Karimou te souhaite la bienvenue sur l'artiste expo. Tu vas bien Oui, très bien. Tu es en forme En pleine forme. Super. Alors, puisque tu es en forme et que tu es en pleine forme aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un peu de ce document. J'ai envie qu'on parle un peu de mon bac. J'ai envie qu'on parle de cette œuvre et tout ce qui va avec. C'est quoi C'est un recueil œuvre C'est quoi mon bac C'est un anal. Ah, c'est un anal. Oui, oui. C'est quoi un anal c'est un document qui va permettre aux candidats, aux élèves réellement de lire leurs cours d'une façon résumée. Et là, tu t'adresses à nos amis bacheliers Effectivement. D'accord. Décortiquons mon bac sur cette émission. Pourquoi mon bac Parce que réellement, pour accéder aux études universitaires, pour mhm. être quelqu'un, un leader pour un pays, il faut obtenir son bac il faut forcément obtenir son bac. Effectivement. Et ce document aide nos amis jeunes qui regardent cette émission à avoir leur bac. Effectivement. Parlons du contenu de mon bac. Qu'est-ce qu'il y a dans mon bac, mon ami Dans mon bac, euh, le document contient des cours philosophiques, mhm. des cours littéraires. Quant à la philosophie, c'est des résumés de tous les chapitres à travers les définitions, les concepts philosophiques et les critiques qui ont été apportées ainsi aussi, il y a les, les sujets, les corriger avec les problématiques pour réellement permettre aux candidats de s'en sortir dans la démarche de la dissertation, du commentaire, qu'il soit en français ou bien en, philosophie. Alors pour moi, ce document est un atout pour tous les candidats qui réellement sont à la quête de la recherche du savoir pour obtenir leur diplôme. Super. J'aurais aussi appris que tu tiens des formations un peu partout au Niger pour aussi aider, accompagner nos amis candidats. Et nous, nous faisons avec l'actualité. On sait que bientôt, c'est le baccalauréat. Et on sait aussi que le bac se prépare le premier jour de la rentrée. Mais il n'est pas aussi tard. Et je pense qu'ils doivent parcourir ce document pour se former et affronter comme ça se doit les épreuves du dit examen. Alors, quel serait donc ton message à l'endroit de nos bacheliers qui Regarde cette émission, qui nous écoute aussi à travers nos 46 radiotechniques pour qu'ils puissent euh, s'en procurer de ce document, c'est important. Parce que ben, on peut parler de ça, mais comment l'avoir, c'est aussi important. Alors ce message sera adressé à tous nos amis candidats, à tous les parents d'élèves qui sont scotchés sur cette émission. Parce que nous voulons aussi vous apporter notre contribution. Monsieur Seni, nous vous écoutons je tiens à demander aux candidats de m'aider à leur aider. Mhm. Car si réellement ils prennent euh, mon document pour réviser et autres, ils poussent le Niger à aller vers l'avant et ils poussent les jeunes écrivains à écrire, à apporter leur soutien. Mhm. quant à mon dernier message, je les invite le 6 juin, Inch'Allah, au campus de l'université suisse IMEF pour assister à mon vernissage de ces documents dont on a fait l'émission. C'était donc. Euh, Seini Daouda Lokman sur l'émission Tous à la sur l'artiste s'exprime. C'était aussi Seini Isaka, le son Mustafa Yuba et Issa à la réalisation. C'était donc les humains et la machine dit « prend congé de vous. Sur ce, nous vous demandons de rester en compagnie du programme du studio Calam. Machine and the écrivain uh, Tolkit. Hey.